le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du le forum du studio 18h15 à Niamey, 18h15 au studio Kalangou et partout au Niger. Les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Le forum du studio Kalangou, c'est tout de suite l'actualité de ce soir, la santé de la reproduction au Niger. Il sera question dans cette émission de politique nationale de santé de la reproduction, de questions de grossesse précoce, de grossesse rapprochée, des soins prénatales, également d'avortement comme invité, nous avons Monsieur Atmo Hassan, spécialiste en santé de la reproduction, ancien directeur du Centre national de santé euh, de la reproduction. Monsieur Mamoudou Idrissa, magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de DIFA et de Madame Mustafa Blakissa, Balkissa pardon, de l'Association nigérienne pour le bien-être familial, la NBF, et les sages-femmes. Messieurs, dames, bonsoir. Fidèles auditeurs, merci de rester à l'écoute euh, en notre compagnie. Nous en avons pour 45 minutes. Alors, je l'annonçais, nous avons comme euh, invité M. Atmo Hassan, spécialiste en santé de la reproduction, ancien directeur du Centre national de santé de la reproduction, actuellement chef de division planning familial. Bonsoir, M. Atmo Hassan. Bonsoir. Merci d'être venu. Monsieur Mamoudou Idrissa, magistrat vice-président du tribunal de grande instance de DIFA. Bonsoir, monsieur Mamoudou. Bonsoir, madame. Merci également. Et euh, une dame, madame Mustafa Balkissa, sage-femme de l'association nigérienne pour le bien-être familial, la NBF. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'être venu. Fidèles auditeurs, vous l'avez donc noté, la santé de la reproduction au Niger la grande question, c'est quoi la santé de la reproduction au Niger Quelles sont les différentes composantes Bien sûr, nous commençons par notre spécialiste en santé, euh, en santé de, la reproduction, M. Atmo Hassan. Euh, merci, Marie. La santé de la reproduction est considérée comme tout ce qui concerne le cycle de la vie, euh, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la vieillesse jusqu'au décès. Et la santé de la reproduction au Niger comporte euh, quatre volets principaux. Euh, le volet santé de la mère ou santé de la femme, le volet santé de l'enfant, le volet santé des adolescents et des jeunes et le volet santé de l'homme. C'est un concept qui a vu le jour tout juste euh, à la conférence internationale pour la population et le développement CIPD de 1994 au Caire. Euh, plus de 120 pays s'étaient réunis pour euh, définir le concept santé de la reproduction. Après la définition qui a été donnée au Caire, il a été demandé à chaque pays de prendre sa propre définition en fonction de ses valeurs culturelles. Et c'est pour ça que vous allez voir que les concepts diffèrent d'un pays à l'autre. Globalement, nous avons trois types de définitions. Une définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une définition donnée par euh, la conférence internationale euh, pour le développement du Caire qui a été donnée par euh, Feu Mohamed Tantawi, grand mufti de l'Égypte, et une définition donnée par le Niger. Alors, je me tourne vers euh, la seule dame parmi nos invités, Madame euh, Mustapha Bakissa. Vous voulez ajouter quelque chose à ce que euh, vient de dire Monsieur Atmo Oui, ce que j'ai ajouté, c'est la santé de la reproduction telle définie par l'OMS s'intéresse au mécanisme de la procréation, au mécanisme de la procréation et au fonctionnement de l'appareil reproducteur à tous les stades de la vie, elle implique la possibilité d'avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre, ainsi que la liberté pour les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent. C'est ce que j'ai ajouté par rapport à cette définition. Alors, donc, euh, je ne sais pas, on a donc un, magistrat parmi nous, donc s'il veut, il peut ajouter quelque chose, sinon. Oui, euh, je me permets quand même de me prononcer par rapport à toutes les activités qui sont menées, euh, eu égard aux définitions qui se complètent données par mes prédécesseurs, sont régies par un cadre législatif ou réglementaire bien organisé. À ce sens qu'il existe une loi relative euh, à la santé de la reproduction, une loi de 2006, si je ne me trompe. Et alors, euh, que dit cette loi Elle contient plusieurs dispositions. Nous allons euh, revenir donc si, au fur et à mesure euh, au cours de cette euh, émission sur ce que dit bien sûr cette loi de 2006. puis j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que au Niger on, a donc une politique, comme je l'ai dit au début de cette émission, politique nationale de la santé de la reproduction. comme vient de le dire l'honorable magistrat, et la politique découle de la loi sur la santé de la reproduction de juin 2006. Donc à partir de cette loi, toutes les politiques euh, sont définies et la loi même <clears throat> en elle-même, elle comporte, elle est complétée par plusieurs décrets d'application et des arrêtés. Et ce n'est pas quand on parle de cette loi, elle définit le concept même de la santé de la reproduction au Niger elle définit ce qu'on appelle euh, centre de santé de la reproduction, elle définit ce qu'on appelle les prestations de santé de la reproduction et elle euh, parle aussi des éléments euh, tels que les avortements, mais les avortements médicalisés, la procréation médicale assistée, les IST, le VIH-Sida, donc c'est de tous ces domaines que la loi SR parle, mais elle a été complétée par plusieurs instruments juridiques. Alors, est-ce que oh, quand on dit santé de la reproduction, on peut aussi l'appeler euh, santé sexuelle et reproductive euh, Oui, avec euh, donc notre sage-femme, Madame Moustapha Balkissa, de l'ANBF. Oui. La santé santé sexuelle et reproductive et santé de, la reproduction. Est-ce que c'est la même chose Non, je dirais que la santé sexuelle et reproductive est une composante de la santé de la reproduction en elle-même. Voilà, c'est une composante. Monsieur Atmoissan Bien, oui, elle a, raison. Le concept initial, hein, c'est santé de la reproduction. Bien entendu, pour euh, donner plus euh, de visibilité on parle de santé sexuelle et reproductive, qui est un élément, puisque si vous prenez l'architecture euh, de la santé de la reproduction au Niger, nous avons d'abord, euh, pour montrer la priorité, le gouvernement a créé une direction générale de santé de la reproduction, ensuite une direction de la santé de la mère et de l'enfant, qui a plusieurs divisions, dont la division planification familiale, la division santé de la mère, la division santé néonatale et infantile, ainsi que d'autres divisions telles que la division de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Alors, M. Euh, euh, Monsieur Mamoudou euh, Idrissa Difa, vous êtes donc le vice-président du tribunal de grande instance de, Difa. J'ai une question particulière pour cette région qui traverse des, moments difficiles. Et c'est que, est-ce que la santé de, la reproduction à Difa est, vraiment, je veux dire, est-ce que la population est bien imprégnée de cette notion Oui, en ce sens que euh, le ministère de la Santé est représenté à DIFA à travers ses, services déconcentrés. Hein, il y a un centre de la mère et de l'enfant. Il y a également l'hôpital régional. Nous avons également la direction régionale de la santé publique. Et ces, ces trois services concourent à la mise en œuvre des services de santé, dont le service de santé sexuelle et reproductive est une composante. D'accord. Euh, dans les volets que vous avez cités tout à l'heure, on a noté donc la santé de la mère, et nous allons donc euh, euh, parler de, quelque chose qui concerne vraiment cette euh, santé de la mère, donc les, mariages, les grossesses, pardon, précoces et, nombreuses. Au Niger, donc, la tradition veut que les filles, vous me direz si c'est vrai ou pas, se marient très tôt. Et donc, le, mariage précoce est une question aussi euh, d'honneur familial. Alors, euh, qui dit mariage précoce dit euh, grossesse précoce dit également nombreuses euh, grossesses. Monsieur Mamoudou, au Niger, y a-t-il une loi Y a-t-il d'abord une loi qui, qui fixe l'âge de mariage de, la, de la fille Vous savez, le Niger, c'est un pays qui euh, compte tenu de la colonisation et des aspects propres à ce pays, il y a plusieurs lois qui coexistent. Nous avons d'une part le droit coutumier et le droit moderne. Ce qui fait qu'aucun praticien ne va vous donner un âge fixe du point de vue coutumier pour Le mariage, mais du point de vue code civil, il est évident et entendu que la fille doit contracter, ne peut contracter mariage avant l'âge de 16 ans révolu. Donc on va dire 15 ans peut-être parce que nous, nous avons parlé avec des acteurs de la société civile qui nous ont parlé de l'âge de 15 ans. Je disais, du point de vue du droit civil, c'est-à-dire aucun maire. Vous savez, le, le, code civil et tout ce qui se passe comme cérémonial, ça se passe devant le maire pour des personnes assimilées, modernisées, qui ont renoncé à la tradition. Aucun maire ne peut célébrer un mariage de quelqu'un qui a 15 ans. Il faut 16 ans. Mais du point de vue du droit coutumier, on assiste à une pratique de mariage un peu plus tôt. Quelquefois, le mariage est célébré, mais euh, la consommation du mariage est retardée, c'est-à-dire la jeune fille ne regagne pas le foyer conjugal ou regagne le foyer conjugal, mais les devoirs conjugaux ne sont pas pratiqués. Alors donc, on va vérifier, nous sommes à un débat, cette information, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de filles euh, qui sont mariées à moins de 15 ans et qui se retrouvent enceintes. Et J'ai donc euh, euh, l'honneur d'avoir ici des personnes qui vont bien nous éclairer. Nous commençons par, notre sage-femme, Madame Mustafa, donc Bakissa de l'ANBF. Oui, effectivement, on a l'habitude de voir des femmes qui viennent à moins de 18 ans, qui ont moins de 18 ans et qui, ont, qui sont déjà à leur deuxième accouchement. Donc le premier, la première grossesse est intervenue aux environs de 15 ans et ce qui n'est pas sans conséquence pour l'organisme de cette femme et même pour l'enfant qui devra naître de cette grossesse. On rencontre beaucoup de difficultés dans ce sens. Donc nous allons revenir sur les conséquences mm. de, ces grossesses précoces avec euh, M. Atmo Hassan. Est-ce que ce constat est aussi vérifié euh, Vous avez eu à vérifier ce constat des filles qui n'ont pas 15 ans, peut-être 12 ans, moins que ça, euh, en tout cas qui sont mariées, qui contractent des grossesses. Malheureusement, c'est la triste réalité. Et l'enquête de démographie et de santé EDS de 2012 a montré qu'au Niger, l'âge médian au premier mariage est de 15 ans. Et l'âge médian à la première grossesse est de 16 ans. Et c'est un de nos plus mauvais indicateurs. C'est pour ça que nous, au niveau de santé de la reproduction, nous ne parlons plus de mariage précoce, mais de mariage d'enfants, pour être en conformité avec euh, ce que le juge vient de dire. Parce qu'il faut retourner. Tant que nous sortons, nous, empruntons des mots précoces, ça ne cadre pas. Mais on sait, selon sa définition, que c'est des enfants. Donc nous voulons retourner pour euh, revoir le concept et le mot mariage d'enfant si est le mieux. Et malheureusement, à cet âge de 15 ans, 16 ans, puisque les études encore récentes ont démontré que déjà près de 60% de ces filles mariées à 15 ans ont déjà leur enfant et 30% sont enceintes. Donc vous voyez euh, là où ça conduit. Malheureusement, euh, si on prend euh, du côté de la santé, c'est un désastre que nous vivons au quotidien. Ça veut dire que vous vous apprêtez à répondre à, la question suivante qui est est-ce qu'à 12 ans ou à 15 ans même, une fille peut supporter un enfant Hein, peut supporter euh, le poids d'une grossesse Non. Pourquoi Parce que son organisme, d'abord, euh, même pas le poids d'une grossesse, même les rapports sexuels, sa filière génitale n'est pas encore euh, parvenue à maturité. Elle peut subir des dommages au niveau de ses organes génitaux. Maintenant, quand la grossesse arrive, effectivement, c'est très difficile. L'organisme n'est pas prêt il n'est pas arrivé à maturité. Et c'est avec beaucoup de peine que ces grossesses sont supportées. Souvent, elles finissent par des avortements. Souvent, elles finissent par des césariennes pour les plus chanceuses, si ce n'est pas la fistule pour les plus malheureuses, ou d'autres encore, ce qu'on appelle euh, morbidité en jargon de la santé, d'autres maladies. Il y a beaucoup de choses que la fille peut subir Monsieur Atmoisson, ah. vous aurez largement le temps de revenir sur les conséquences de ces grossesses euh, donc euh, euh, euh, précoces. Et vous parliez tout à l'heure, Madame Mustapha ça, de la, NBF, vous parliez donc des, femmes qui viennent et qui, accouchent avec des difficultés. Est-ce que on peut dire que ce sont les conséquences de, de, de ces grossesses et nous avons donc suivi avec M. Atmo Hassan que euh, une, fille à cet âge euh, ne peut pas supporter donc euh, le poids d'une grossesse, même les rapports sexuels, à plus forte raison plusieurs grossesses. Je, je soutiens ce que ce que mon prédécesseur vient de dire. La fille de 15 ans ou de 16 ans qui contracte la grossesse ne peut pas la mener à bien. Elle est engendrée de beaucoup de difficultés tels que les dystocies au moment de l'accouchement et aussi les dystocies, je peux parler aussi de fissure de la fistule vésico-vaginale et aussi de, comment dirais-je, des ruptures utérines qui peuvent survenir. Et aussi, il y a les disproportions céphalo-pelviennes, son, son, bassin étant immature à la à l'accouchement plutôt, dirais-je. Vous en avez euh, rencontré plusieurs. Euh, vous n'allez pas peut-être nous donner un chiffre là exactement, mais nous allons vous donner le temps de souffler. Nous allons passer donc euh, un, élément qui va nous permettre euh, de, souffler, mais aussi de, comprendre ce que c'est la fistule obstétricale. La fistule obstétricale, c'est une communication anormale entre la vessie et le vagin, ou la vessie, le rectum, le vagin, c'est secondaire à des difficultés d'expulsion du bébé. Donc euh, un travail prolongé, généralement supérieur à 48 heures, provoque cette pathologie. Résumé, c'est une pathologie euh, liée à la pauvreté. Également, le jeune âge des femmes quand euh, morphologiquement elles ne sont pas prêtes pour expulser un bébé, ça peut être une des causes et c'est généralement la plus rencontrée, le jeune âge, qui est à la base de la fissure obstétricale. Si les conditions sanitaires sont adaptées, on peut éviter la fissure obstétricale. On rencontre généralement euh, cette pathologie chez les femmes d'âge euh, compris entre 15, 20 ans, souvent on descend jusqu'à 12 ans. Dire vraiment, c'est des petites filles qu'on donne en mariage qui sont victimes de cette pathologie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, la fissure obstétricale peut se rencontrer chez les grandes multipares, c'est-à-dire les femmes qui ont accouché beaucoup de fois du fait de la distension de l'utérus, de cette perte de la capacité du muscle utérin à bien se contracter. Donc ça crée un ralentissement dans l'expulsion du fœtus. Donc on se retrouve dans le même cas, difficulté d'expulsion, compression des organes du voisinage par la tête du bébé, donc ischémie, ensuite nécrose tissulaire, perte de substance, on a la communication qui se crée également Est-ce que après intervention, ces femmes-là auront l'occasion de vivre une vie normale, se marier, avoir des enfants ou pas Tout à fait. La fissure obstétricale, c'est une pathologie comme une autre, même si il y a un impact social important sur euh, le moral de ces malades. Une fois guérie, elle redevient une femme comme toutes les autres femmes. Voilà, c'est pas la guérison médicale, mais plutôt c'est la guérison psychosociale qui pose problème. Est-ce qu'il y a un comportement spécifique qu'elles doivent adopter après l'intervention Comme toute femme enceinte, c'est les consultations prénatales. C'est le seul comportement que toute femme enceinte doit avoir. Donc il n'y a pas de particularité par rapport à la fissure obstétricale. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est des femmes qui doivent généralement subir des césariennes prophylactiques. C'est-à-dire qu'on doit intervenir chirurgicalement pour extraire le futur bébé. C'était docteur Abdoulaye Traoré, médecin au niveau du centre euh, d'Imol. Euh, je vous propose d'écouter un dernier son qui est vraiment très court. C'est le témoignage d'une femme euh, donc atteinte de cette maladie, la fustile obstétricale. Mais c'est un Hausa. J'espère que tous nos invités ici comprennent et parlent Hausa. an ka sa karhe wannan aka hudda mai da rai shikenan hitsari ya zo daga nan ma ni dai na tashi na gani hitsari jabe can suka ce wai babu komi wannan ruwa ne yana tsayawa an ba mu magani da allurai mun ta likitan gida a yi mun satin mu guda ne can bai rage ba shi kenan muka ta hidiwa suka ce wannan ciwon hitsari ne ba ruwa ba ku ta yi kunyi wata uku guda mun zo gida mun yi wata uku mun koma sun kace su sun yi karhin su ba su iyawa shikenan muka koma gida muka zamna sai da nan ne mota ne ya tafi ya ɗauko mu aka kawo mu wanga gari ina shekaru na da yawa ni ban sani ba ya kai bakwai ma aiki na ya kai goma ma mun samu dama yanzu alhamdulillah Voilà, donc c'était donc le témoignage de cette femme atteinte euh, de la fistule obstétricale. donc, euh, euh, vos réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, M. Atmo Bien, c'est une réaction de tristesse. Le médecin a bien défini, c'est une maladie de la pauvreté, uniquement de la pauvreté. Je vous informe que si vous prenez aux États-Unis, le dernier hôpital qui opérait des fistules a été fermé en 1865. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là avec la fistule en train de lutter. Vous comprenez Et c'est la prévention, la fistule. On va opérer, mais tant qu'on ne fermera pas, comme on le dit, les, euh, les robinets, on ne peut pas remplir la fontaine c'est-à-dire chaque année, il y a un nombre de cas de fistule obstétricale, de nouveaux cas, qui viennent s'ajouter aux anciens cas. Si, par exemple, aujourd'hui, nous avons environ 5000 femmes atteintes de fistule, si par année, on peut opérer 300 ou 500 au maximum, l'année prochaine, nous allons avoir 700 ou 800 nouveaux cas qui vont venir s'ajouter. C'est un cycle infernal. Et l'élément important, la clé de tout ça, c'est la prévention, c'est d'arrêter les nouveaux cas. Tant que nous n'arriverons pas à arrêter le flux de nouveaux cas de fistule, nous n'allons jamais vaincre la fistule. Comment, arrêter ces, nouveaux cas, euh, les anciens cas euh, Nous allons y revenir. Euh, Madame Mustapha de l'ANBF. Donc, vous parliez tout à l'heure des, des, nombreuses conséquences sur la santé de, de la femme. Euh, on va donc revenir sur ces conséquences, mais je signale aussi tout à l'heure, peut-être qu'on ne l'a pas mentionné, il n'y a pas seulement que des, des, grossesses euh, euh, d'enfants dans, dans, les mariages il y a aussi euh, des, grossesses qui sont contractées par des adolescentes n'est-ce pas qui qui sont pas mariées donc c'était une précision pour ne pas faire euh, une confusion et dire que on est en train de peut-être s'attaquer au mariage voilà c'est juste la santé de la reproduction ici allez-y donc la grossesse elle peut être précoce et non désirée c'est ce genre de cas qu'on rencontre chez les jeunes adolescentes qui ne sont pas préparées à la grossesse, qui ne l'ont pas désirée en fait. Hein, c'est ce qui nous amène le plus souvent à des avortements clandestins ah, voilà. Donc euh, c'est un c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Donc je vais donc euh, me diriger vers M. Euh, Monsieur Mamoudou Idrissa donc pour parler encore de ce mariage d'enfants. Est-ce que pour les parents qui marient des filles à 12 ans, à 15 ans, je ne sais pas encore à quel âge, sous la base bien sûr d'une plainte, ils peuvent être poursuivis. Oui, oui, justement oui, mais le problème, c'est que, en droit coutumier, du point de vue de nos traditions, il n'y a pas un âge de référence. Il n'y a pas un âge de référence pour le mariage. L'idéal, c'est de ne pas, ce n'est pas de ne pas contracter mariage, mais l'idéal consiste, même si ce mariage est contracté, puisque c'est des mariages arrangés, très souvent à l'intérieur de la famille, d'une famille à une autre, ces relations contribuent énormément à la stabilité sociale de certaines zones, notamment en région nomade. Voyez, l'idéal, c'est de ne pas interdire carrément ces mariages, mais de faire en sorte que même célébrés, que ce mariage ne soit pas consommé. La consommation c'est l'accomplissement des devoirs conjugaux. Euh, euh, alors, euh, je, je vois qu'il y a longtemps que cela est dit, qu'on dit qu'on peut marier une fille à un bas âge, mais qu'il faut attendre la consommation. Nous savons tous que cette consommation n'est jamais attendue d'ailleurs, mais ce que moi je me pose comme question. Je prends un exemple palpable. Ça veut dire que j'appartiens à une ONG qui, qui, lutte contre ces pratiques et nous avons un cas où une fille de 12 ans ou de 15 ans contracte euh, une grossesse euh, devant la loi, on ne peut pas poursuivre les parents À ma connaissance, non. Il n'y a rien qui l'interdise. Tout ce qu'on peut faire, c'est des grands mouvements de sensibilisation pour éveiller les consciences. Ce qui est interdit, c'est la consommation. On sait bien que le mariage précoce peut engendrer des coûts, notamment la déscolarisation, ensuite des maladies, lorsque la femme, très souvent, euh, le mari l'abandonne après un accouchement, lorsque ça se complique. Ça veut dire qu'il faut attendre les conséquences. Il faut attendre les conséquences avant que la justice n'agisse. C'est pourquoi la prévention est encore meilleure à la répression. Monsieur Atmoissan, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur euh, particulièrement ce, cet aspect euh, Bien sûr, puisque nous, nous voyons les conséquences quotidiennement et nous sommes euh, en face d'un dilemme qui est là. Et il l'a dit, dans certains milieux, c'est le socle social. Mais si on prend en termes modernes aussi, c'est un désastre. Et c'est pour cela que, au niveau du ministère de la Santé publique, euh, des organisations non gouvernementales sont en train d'expérimenter de nouvelles approches qui consistent à retarder la première grossesse, même en cas de consommation. Si la première grossesse est retardée, on peut s'attendre à ce que le corps de la fille arrive à maturité. Donc, euh, nous sommes aussi en train de fonder beaucoup d'espoir sur l'aspect de la scolarisation et surtout du maintien de la jeune fille à l'école jusqu'à l'âge de, la, l'âge de 16 ans. Puisque quand vous regardez, eh, l'éducation est la clé de tout développement. Si on arrive à scolariser ces jeunes filles jusqu'à un certain âge, on aurait beaucoup gagné. Jusqu'à 16 ans, déjà, on a dépassé les mariages qu'on voit aujourd'hui de 10 ans, 12 ans, 13 ans et même 14 ans. Et donc ça, c'est peut-être un des espoirs sur lequel nous comptons, le maintien de la fille jusqu'à 16 ans à l'école. Alors, on, revient un peu sur cette maladie, la fistule obstétricale. Sinon, d'autres maladies qui sont vraiment liées à ces, à à ces trois types de grossesse. Oui. Madame, donc, euh, Mustapha Balkissa de l'ANBF. D'accord. En dehors de la fistule, la femme peut être sujette à beaucoup de complications d'ordre obstétrical. et à des les déchirures compliquées hein, qu'elle peut subir au moment de l'accouchement. c'est quoi une déchirure euh, compliquée Une déchirure compliquée au moment de la sortie de l'enfant, l'organisme n'étant pas mature, ça peut se déchirer la partie périnéale de la femme et jusqu'à se compliquer et créer des fistules. Vous voyez euh, ça, veut dire que y a, dans, dans ces cas, c'est très facile euh, euh, d'être une fistuleuse. Oui. Bien. Quand vous regardez. Monsieur Atmoissan, Merci, <laughs> merci. merci. Donc, nous, nous parlons. Il y a d'abord la mortalité maternelle qui est plus élevée chez la jeune fille que chez la femme mature. Mm. Maintenant, les études ont démontré que derrière chaque femme qui meurt, il y a entre 25 et 30 qui vont souffrir d'autres maladies, dont la plus désastreuse est la fistule obstétricale. Les autres sont les déchirures de ces parties intimes. Les autres sont des fuites d'urine qui ne sont pas des fistules. Elle peut avoir euh, ce qu'on appelle la psychose purpurale. Elle peut développer des infections. Elle peut euh, développer des atteintes nerveuses. Elle peut avoir euh, plusieurs maladies liées à l'immaturité de son système reproductif. Et donc, euh, nous allons poursuivre avec les conséquences immédiates de ce type de, grossesse. Avant, avant d'y revenir, nous allons, nous avons vu tout à l'heure que le témoin la dame donc qui a témoigné a dit qu'elle était guérie au bout d'un certain nombre d'années de la fustule. Euh, est-ce que c'est, je veux dire, c'est très compliqué de guérir euh, de, la fustule C'est très, il y a plusieurs types de fistules. Nous sommes toujours avec euh, Atmo Hassan. Il y a un pourcentage, hein, près de 25%, qui peuvent guérir, comme on le dit, spontanément. Il y a un certain nombre de fistules simples il y a des fistules complexes, très très complexes, pour lesquelles tout espoir de guérison disparaît. Nous avons constaté au niveau de certains hôpitaux des femmes qui sont opérées sept, huit fois pour une fistule, pour la même fistule obstétricale, parce que chaque intervention chirurgicale qui est faite, en cas d'échec, c'est une complication de la fistule. Donc vous voyez, on a des guérisons, des cas de guérison. Mais le nombre de cas que nous avons en réserve est tellement important qu'il ne peut pas être guéri tout de suite. Malgré les coopérations, malgré les interventions, on ne fait qu'effleurer les cas. Les fistules complexes sont là et les femmes, elles sont là, certaines élisent domicile dans certaines ONG et dans certains hôpitaux. On a le centre du monde. Oui. Avant lui, moi, j'ai connu des femmes qui sont restées pendant une douzaine d'années. Et le pire, l'honorable juge l'a un peu effleuré, c'est que quand cette fistule arrive, au départ, la femme, elle est dans sa communauté. À un moment, elle est abandonnée par son mari. C'est le premier à l'abandonner. On la laisse avec sa maman sa maman aussi, à cause de l'odeur des urines et de l'invalidité, l'abandonne. Le plus souvent, quand vous venez au centre de fistule, vous trouvez que c'est une grand-mère, elle aussi, au bout d'un an, deux ans d'attente, elle abandonne. Et vous voyez, c'est pour ça que dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle les années de vie corrigées. C'est-à-dire quand on prend un individu, on regarde de sa naissance à sa mort, combien d'années il aurait vécu normalement. Et on considère qu'une femme, par exemple, qui reste avec une fistule pendant sept ans, elle a perdu sept années de sa vie parce qu'elle n'est plus femme en ce moment. Elle n'est plus apte à faire quoi que ce soit dans le ménage. Hum, vous parliez des conséquences directes de ces types de, de, grossesse. Vous avez évoqué notamment euh, l'avortement, Madame Mustafa Mustapha Balkissa. Oui. Est-ce que euh, aujourd'hui vous rencontrez des cas de, grossesse Est-ce qu'on peut dire qu'au Niger, vraiment, euh, de plus en plus, des avortements se font Alors là, je dirais que les avortements continuent d'avoir lieu et des avortements non des, de suivi des grossesses non désirées, les conséquences plutôt de ces grossesses non désirées. On continue de les Des avortements Clandestins, voilà. On, a, on détecte des cas, surtout au niveau des gros centres. Hein. Souvent, ça se fait dans la clandestinité. la clandestinité. clandestinité. Clandestinité, voilà, merci. Mhm. Et c'est les conséquences qu'on observe en fait. Elles vont essayer de cacher ça. C'est au dernier moment qu'elles arrivent au niveau du centre avec toutes les complications telles que les infections qui peuvent aller jusqu'à la septicémie, l'anémie. Vous voyez. Alors, ça veut dire que l'avortement n'est pas permis au Niger, à M. Mamoudou Idrissa Oui, en effet. du point de vue du droit pénal, l'avortement constitue un délit pénal. Mais de nos jours, le droit pénal continue à subir l'influence de l'extérieur, notamment les grands instruments relatifs aux droits humains. Euh, mis à part le droit pénal, l'avortement entretient des relations étroites avec euh, le droit de l'homme, en ce sens que euh, son interdiction est contraire au principe de la libre disposition qu'a chacun sur son corps humain. Hmm? Si on interdit l'avortement, en théorie, c'est interdit. En pratique, si on interdit en théorie, c'est comme si on, oblige une femme à porter un fardeau qu'elle aurait pu refuser. C'est comme si elle n'est plus libre de disposer de son corps. Euh, alors, vous dites que c'est interdit, vous dites que c'est pas interdit. interdit, mais du point de vue du droit pénal, du point de vue des droits humains, il y a des grands instruments internationaux qui prônent la libre disposition que chaque individu doit avoir de son corps, sur son corps. Et si on intègre ces dispositions, c'est l'intégration progressive de ces dispositions qui font que certains pays, sous certaines conditions, ont tendance à autoriser l'avortement. Mais en droit pénal nigérien, il demeure interdit encore. Ça veut dire que euh, cela est passible à une peine Oui. Combien De 5 ans à moins de 10 ans d'emprisonnement. C'est un délit pénal. Est-ce que dans tous les cas, l'avortement euh, est, interdit Parce que souvent aussi, il y a des, situations où peut-être euh, qui peuvent influencer et permettre cet avortement. Il y en a euh, justement, justement euh, sous contrôle médical et sur euh, recommandation, il peut arriver sous certaines conditions qu'un avortement assisté soit autorisé. Ça veut dire qu'une femme, c'est un exemple qui a été violée, peut, peut avoir peut-être l'autorisation. non Je vous vois circuler la tête. Ce n'est pas le cas. Lorsque la poursuite progressive de la gestation peut engendrer, expose la femme à un risque de mortalité pour elle-même, ou bien une malformation du fœtus, ou bien, oui, le bébé risque de naître amorphe ou non viable, il arrive que le médecin recommande. Sauf si la femme ou l'enfant est en danger. Monsieur Atmoissan. C'est que la loi 2006 sur la santé de la reproduction prévoit, et c'est ça l'interruption médicale de la grossesse c'est un processus très compliqué. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est dans ce cas seulement. En cas de viol, il n'est pas autorisé. Ni en cas d'inceste au Niger, l'avortement n'est pas autorisé. Et dans le cas où il est autorisé, euh, c'est un collège euh, de médecins euh, qui décide de qu'est-ce qu'il faut faire et les établissements aussi qui sont autorisés et les personnes qui sont autorisées à le faire sont nommées. Bon, malheureusement, on n'est pas arrivé jusqu'à ce cas. Euh, Madame euh, Moustapha Mustapha Balkissa, est-ce que vous vous rencontrez, vous euh, vous trouvez souvent dans cette situation, vous avez des, des femmes qui, qui peut-être ne peuvent plus poursuivre la grossesse Alors là. C'est rare C'est rare. C'est rare en fait. D'accord. Nous allons donc aborder une dernière question avant la fin de cette émission. Il nous reste encore sept minutes. Et c'est que donc, euh, toutes ces situations, comment éviter toute cette situation Je parlais des grossesses euh, euh, d'enfants, des grossesses nombreuses, des grossesses non désirées. Comment faire pour vraiment arrêter ou réduire cette situation je continue donc avec euh, Madame euh, Mustafa Balkissa de la NBF. Je dirais que c'est d'intensifier les sensibilisations au niveau de ces jeunes et des adolescents et aussi <laughs> Allez-y. <laughs> voilà. Et aussi de sensibiliser les agents de santé, de fournir des méthodes contraceptives à ces jeunes s'ils le désirent en fait, ce qui préviendrait ces grossesses non désirées. Donc, parler de la sexualité des, jeunes, des adolescents Oui, voilà. Qu'on les accepte au niveau des centres de santé, qu'ils ne soient pas rejetés parce que ils doivent bénéficier aussi de ces méthodes contraceptives sur le désir. Voilà. Monsieur Atmo au sujet donc euh, de ces méthodes hein, de contraception, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être euh, en conseiller euh, Comment faire pour vraiment euh, sensibiliser tout ce beau monde Bien, vous savez, je pense que ça commence à venir parce qu'aujourd'hui, autour de cette table, nous avons un magistrat qui est là. Peut-être que c'est, moi je dirais que c'est la première fois, puisque chaque fois on fait les choses en vase clos, on pense que c'est l'affaire de la santé. Non, c'est l'affaire de tout le monde chacun doit apporter sa contribution. Tout celui qui a un petit savoir ou un petit pouvoir doit l'apporter. Et c'est ce qui va nous amener à une terminologie moderne qu'on appelle communication compréhensive. Cette communication compréhensive doit se faire à tous les niveaux. Ce n'est pas l'affaire de la santé seulement, au niveau de l'éducation, au niveau de la famille, au niveau des religieux, au niveau des coutumiers, au niveau des gouvernements, chacun doit apporter sa pierre dans le cadre de la sensibilisation. C'est en ce moment seulement qu'on pourrait espérer récolter des fruits. Parce que pour changer un comportement, ce n'est pas facile. Alors, on va quand même utiliser ces quatre minutes que nous restent pour parler des moyens, je l'ai dit, de contraception. Euh, quels sont peut-être, euh, y a-t-il plusieurs types de moyens oui, au Niger, nous disposons d'une gamme élargie de contraceptifs modernes. Et dans ce cadre, nous avons euh, les contraceptifs oraux qui sont composés de pilules progestatives et estroprogestatives, c'est-à-dire destinées aux enfants, aux femmes qui allaitent et qui ont des enfants de moins de 6 mois et des femmes qui ont des enfants de plus de 6 mois. Nous avons des contraceptifs injectables Ici, nous avons deux types. Le dépôt Provera qui se fait en injection intramusculaire et un nouveau qui est venu élargir la gamme, le Sayana Press aussi, qui est du dépôt Provera, mais en sous-cutané. Nous avons aussi des implants, deux types d'implants. Euh, L'implanon, qui a une durée d'action de trois années, et le Jadel, qui a une durée d'action de cinq années. Nous avons aussi le dispositif intra-utérin qui a une durée d'action d'une dizaine d'années, 12 ans, et nous avons les préservatifs qui sont là. Bien sûr, il y a d'autres méthodes telles que la mama et d'autres méthodes naturelles qui viennent compléter toute cette gamme. Et quand il s'agit des couples, il faut bien sûr l'aval du mari Non. non. On n'a plus, depuis la loi sur la santé de la reproduction. Et ça, c'est votre conclusion, est parce que nous allons donner à tour de rôle à chacun la possibilité de conclure. Mhm. Donc, euh, depuis la loi SR, on n'a plus besoin de l'autorisation du mari ou d'un tuteur pour euh, délivrer un contraceptif à une femme ou à un mineur. Alors, Madame Mustapha euh, Balkissa, rapidement, <clears throat> votre conclusion. Ok, mon, mot de conclusion sera l'appel que je lance au niveau des femmes. Elles doivent venir au niveau du centre de santé pour prendre leurs méthodes contraceptives qui sont gratuites dans tous les centres de santé. Euh, on préfère ça à ceux qu'elle achètent ça au niveau des pharmacies ou bien au niveau des marchands ambulants. Au niveau du centre de santé, elle bénéficiera d'un counseling qui lui exposera toutes les méthodes contraceptives disponibles au niveau du centre et elle choisit sa méthode qui lui sera offerte gratuitement. Voilà, Monsieur Mamoudou euh, Idrissa. Ce n'est jamais assez aisé d'intervenir lorsque des praticiens assez éloquents vous dévancent. Euh, je vais juste accentuer mon développement autour de l'interdiction de l'avortement. Cette interdiction, elle est faite à la femme même qui porte la grossesse, à ses parents qui peuvent être poursuivis pour complicité, et même le personnel médical qui peut l'assister lorsque euh, cet avortement n'est pas fait sous assistance médicale comme euh, venait de le dire mon prédécesseur. Alors un nombre prévenu en vaut deux. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. J'étais en compagnie de Monsieur Atmo Hassan, spécialiste en santé de la reproduction, ancien directeur du Centre national de santé de la reproduction. Monsieur Mamoudou Idrissa, magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de DIFAI, de Madame Mustafa Balkissa, de l'association nigérienne pour le bien-être familial, la NBF et les sages-femmes. Merci infiniment. Au revoir on se retrouve euh, à très bientôt.